directeur de la communication et de la coopération à l'aéroport international Blaise Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de, fierté que nous foulons le tarmac de l'aéroport international donc du Cap Sikiri qui vient d'être rénové au bout de 63 jours. En 63 jours, M. Doudouka, directeur général de l'AIBD, à qui le président de la République a confié le programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal, le PRAS, a su relever le défi. Donc en peu de temps, un défi qui n'était pas du tout évident parce que la saison touristique a été compromise pendant deux ans. Simplement, la piste de Cap n'était pas, n'était pas praticable. Aujourd'hui, avec euh, cette infrastructure qui respecte les normes et les standards internationaux, la saison touristique, elle est sauvée. Aujourd'hui, c'est je peux dire que donc, euh, c'est une fête, j'allais dire, de l'aviation civile. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans la ferveur de la célébration de la journée mondiale de l'aviation civile qui va être célébrée le 7 décembre. Donc aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, nous sommes venus en forte délégation, les directeurs de l'AIBD, les invités, donc les officiels, l'ensemble, des, acteurs de la plateforme sont venus pour célébrer effectivement cette réalisation. Donc le 5 décembre, je pense que nous allons inaugurer donc, euh, la piste officiellement avec le ministre l'ensemble des DG de la plateforme. Mais aujourd'hui, nous, nous sommes venus en précurseur. Je, je, peux même dire que nous avons fait le vol test pour, voir la fiabilité de cette piste qui a été allongée. Une piste aujourd'hui qui fait 2 km, donc voire donc 2000 mètres. Donc c'est une piste qui respecte les normes et les standards. En plus de cette piste, il y a la réhabilitation des édifices, donc des bâtiments, donc l'aérogare, la tour de contrôle. C'est pour vous dire que donc aujourd'hui, Cap Sikiri donc, va être inscrit dans les annales, si vous voulez, de l'histoire de l'aviation au Sénégal. Parce que simplement, Cap Sikiri vient d'être doté, n'est-ce pas, d'une infrastructure, donc flambant neuve, qui fait la fierté de toute la population de la Casamance, particulièrement la population donc, de Cap Sikiri. Bon, voilà, je ne peux pas m'avancer sur les prix, mais je sais que EPAGE, qui est une entreprise euh, connue, a su relever le défi ces travaux ont été réalisés par EPAGE. EPAGE, ce sont eux qui ont fait l'autoroute à Dakar. Alors EPAGE a aussi euh, montré ses talents, n'est-ce pas, euh, ici, dans, en réalisant donc cette de 2 km. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est que le coût, c'est vrai, c'est important, mais ça importe peu par rapport à la sécurité, par rapport à la sûreté. Parce que quand on est dans le domaine de l'aviation, les notions clés sont la sécurité et la sûreté. Aujourd'hui, cette piste respecte ces normes-là de sécurité et de sûreté. Et les touristes de Transavia qui vont venir le 5 décembre, donc à partir de 13h, vont couler le tarmac en toute sécurité. Et c'est ça vraiment l'objectif euh, recherché en réhabilitant effectivement euh, euh, cette, piste. Mais oui, bon, l'impact, ça sera un impact économique euh, sans commune mesure. Parce que comme vous le savez, donc l'aéroport est un moyen passif au, au, désenclavement, si vous voulez, des localités. En quittant Dakar pour venir Cap on a fait une demi-heure, figurez-vous. Cela veut dire que donc, au plan euh, des relations, si vous voulez, économiques, commerciales, marchandes, donc il y a la rapidité, il y a la flexibilité, donc il y a les échanges dans ce monde donc, euh, de globalisation. Vous voyez un peu, donc, euh, où la, la rapidité et la compétitivité sont les maîtres mots avoir une infrastructure ou un aéroport de cette dimension donc, ne peut être que tout bénéfique pour l'économie nationale. Donc les retombées par rapport aux touristes de manière générale, aux hôteliers qui sont là, parce que la saison va démarrer, même aux vendeurs qui est à côté juste, donc verra son, son business, n'est-ce pas, euh, euh, devenir, enfin, fleurissant, ça je peux le dire. Pour dire simplement que donc c'est une bonne opportunité d'affaires qui est réalisée. L'aéroport donc est une source d'opportunités d'affaires on peut le dire comme ça. Euh, euh, Imam Elhaj Mohamed Sow, euh, conseiller spécial AIBD, nous tey préparatif inauguration aéroport international bu Cap Skirring. yek yëg am secteur aéronautique sénégalais waaye ndam bu rëy a aussi ci sauver lu ñuy wax saison touristique fii ci Casamance rawatina fii ci Cap nga xam ne euh, dafa nekk site touristique boo xam ne addina bi ak euh, européens yi dañ ko fonk lool rawatina tugal France donc te saison bi naroon na nax saay comme at yu passé yëpp nu mu méttee woon ci nga xam acteur touristique yu fi liggéey euh, hôtelier yeeg ñëpp nga xam ne nañ fi ay at yoo xam mu métti tay AIBD ci njiit ci ndigalu président de la république ak directeur général bi Doudou mu instruire ko mom président euh, ñu accélérer liggéey bu metti bo xamné li kuko gis ñu ne la ci deux mois la ñu defaraat piste bi def ko piste bo xamné aéroport international lay doon parce que piste norme piste aéro aéroport euh, bu avion yu mag mën a moy 2000 deux mille mètres deux mille mètres long moy deux kilomètres tay aéroport Cap Skirring am na piste bobu ne n'importe quel avion bu a ci adina bi tay atterrir ci aéroport Cap Skirring ci rénover entièrement aéroport bi euh, da nga daan génn bo di visite des lieux pour commencer liguey bi ci ay nga pour dem ci piste bi wala pour avion boy dugg aéroport bi bokoy cadre wala norme internationale président décrété comme aéroport Cap day le deuxième aéroport international du Sénégal kon lii nag bu ñu fi ñëwee tey di def euh, préparation yi pour inauguration aéroport bi loolu ndamu réew mi la ndamu Casamance la ndamu Cap Skirring la waaye ci et population Casamance Merci. aussi dañuy wax euh, directeur général ak équipe am yëpp merci. Euh, bien sûr nous avons un programme au président de la république. Euh, ci euh, euh mu directeur général Moi, quatorze régions Sénégal yep, mu am aéroport yo xamné day mucc ayib ba képp ku jóge bitim réew ñëw wacc ci aéroport quatorze régions yep, di nga yëg sa bop ni yaangi ci lan euh, niveau aéroport donc lolu président daf ko instruire pour directeur général mu tabax quatorze aéroports yu ci région yep, dañ koy defar ba mu nek ay normes yo xamné ku ci dugg di nga siggi dina sigil képp kuy doomu sénégalais Thank you.